le budget de l'enseignement supérieur. Je pense qu'un honorable député a fait un bref rappel historique du budget. Effectivement, le budget en 2000 était de 23 milliards 082 millions. En 2012, ce budget a été porté à 102 milliards 313 millions. Si on fait un calcul simple, effectivement, on a une hausse de ce budget de 79 milliards 231 millions. Ça a été multiplié par 4,4. Très bien. Sur la période 2012 à 2023, là où on avait une hausse de 79 milliards, sur cette période récente, on a une hausse de 160 milliards 277. Mais effectivement, sur la période, ça a été multiplié par 2,023%. Comparativement à la période antérieure où c'est multiplié par 4,4%, mais je vous rappelle la loi des grands nombres. Il est plus facile de multiplier un budget de 23 milliards que d'aller multiplier un budget de 102 milliards. Par contre, si on regarde l'évolution du budget de 2000 à nos jours, ça a été multiplié, et c'est ça la bonne formule, par 11,4 fois. Mais d'où parce que budget enseignement supérieur moom luñ ci munti effort buñ def 23 milliards en 2000 nous indi mu toll ci 262 milliards 591 millions góorgóorlu torop waye doyul ba léegi waaye nag djego yi mom worna comme niñ ko waxé nak commission te lool vraiment contane nañ ci torop ñun ñëpp dañ ne commission priorité budget bi moy ñu achever chantier en cours yëpp yi fi loolu le programme d'achèvement de tous les chantiers en cours au titre de la gestion 2023. C'est ça la première priorité de ce budget de 262 milliards 591 millions. On a parlé effectivement de la faiblesse du budget de la recherche. On s'était accordé effectivement qu'il faut renforcer le budget de la recherche, oui. Mais le ministre est revenu largement sur les ressources allouées à la recherche et qui vont au-delà des 4 milliards qui sont dans le budget de la Direction générale de la recherche et de l'innovation. On retrouve le budget de la recherche dans les 140 programmes budgétaires que vous, que vous avez commencé à examiner depuis le premier jour des plénières c'est 140 programmes budgétaires, c'est plus de 26 milliards 821 millions avec les allocations de la recherche agricole et agroalimentaire, les allocations de la recherche pharmaceutique et quand le ministère du développement industriel passera, on verra aussi les allocations au niveau de l'ASPIT. Donc c'est important qu'on puisse donner, mais il y a eu qu'on puisse donner les allocations globales pour, la recherche euh, et l'innovation.